Tivaouane TV di vidéo, bi leen di gindi ci xadaratu ak Tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de la Quels sont vos témoignages suite au décès du Khalif Oui, nous sommes venus euh, partager la douleur de la famille et amener nos condoléances après celle du président de la République et de sa délégation qui viennent de partir. Euh, Cher, comme aimait l'appeler les fidèles affectueusement, était un grand homme, un grand érudit, qui a beaucoup contribué à l'implantation d'un islam de tolérance. C'était un homme de culture euh, qui connaissait euh, aussi bien le monde occidental et bien, bien sûr euh, la doctrine islamique, puisque c'était ça son fondement. Euh, c'est également l'occasion de souhaiter une très très longue vie, fête de santé, au Khalif général, Serine Abdouaziz Alamine. Et euh, je transmets donc mes condoléances à toute la famille, euh, mais à tout le peuple sénégalais, puisqu'il est un patrimoine national, Serine Cher. di biddéew bi di gindi ci xadaratu ak tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de la Tijaaniya